Bonne major, avec un rendez-vous important Moi, je connais le samedi matin on va démarrer la campagne par une caravane dans l'arrondissement des Almadies nous partirons de Mermoz ensuite nous ferons Wakam Ngor Yoff Kamberen, Padua, Grand Yoff Almadi, la et nous allons maintenant l'après-midi disons même le soir parce que le stade des parcelles est éclairé. Nous allons faire le meeting des parcelles assainies. Donc nous demandons à toutes les femmes de Beno d'être présentes aux parcelles lors de ce meeting. Parce que y benen un candidat qui xamante peut-être plus ma ko tudd mom mi ngi foru boru akapes di def Le meeting am mais nous dañ ko wara a bennoo bokk yaakaar dafa wuute ak ku génn ci bennoo bokk yaakaar ba pare naan bennoo bokk yaakaar moo ko adopté du dool amul il faut ñu wan ko ne moom en réalité il faut ñu wan ko en réalité que place am mooy woon mu mu respecter accepter la discipline de notre ñëw nekk suñu biir bu fekkente ne nag daf ne day demal boppam sur la base d'un truc 35 le le on 35 il faut que nous, nous une une discipline indiscipline dans les rangs du parti dans les rangs du Benno Bokyakar. Puisqu'il est à Capes et nous, nous sommes volés au niveau du stade des Parcelles c'est l'occasion nous de Benno de lui montrer en réalité que la force est dans le Benno Bonne mangue, invitez toutes les femmes du Benno Bokk aux Parcelles série.